Aujourd'hui, cela fait un mois que l'épidémie a confirmé son premier cas le 2 mars. Il faut dire que dans le cadre du laboratoire et des tests que l'Institut Pasteur fait, il est, le premier cas suspect a été identifié le 26 février. De... Le 2 mars a été l'identification du premier cas, ce qui fait que dans la phase de préparation, un certain nombre de cas avaient été testés. Il faut dire que depuis cette période, 1738 échantillons ont été testés et qui ont conduit à l'identification de 195 cas confirmés. Ces différents échantillons testés l'ont été pour le suivi de malades hospitalisés, pour les cas suspects qu'il fallait confirmer, et les contacts à haut risque qui ont été détectés. Donc depuis le début de l'épidémie, il y a en moyenne 53 échantillons qui sont testés par jour, avec un minimum d'un cas par jour et un maximum qui a été atteint à 211 cas testés par jour, échantillons testés par jour. Cela m'amène à parler des capacités de test au jour d'aujourd'hui, les capacités sont de 500 tests jour au sein de l'Institut Pasteur, avec très prochainement une montée à une capacité de 1000 tests par jour. Ces tests-là vont être déployés non seulement au niveau du site de l'Institut Pasteur à Dakar, mais aussi sur tout bas, des tests sont faits. Depuis le 14 mars 2020, un laboratoire mobile est positionné au centre de santé de Darou de Touba pour se rapprocher d'un foyer important qui était le foyer de Touba sur les instructions des autorités de manière à juguler rapidement cette situation. Et c'est ainsi que ce laboratoire a testé non seulement pour la zone de Touba, mais aussi la région de Djurbel, Louga, Fatik, Kaolak, Kafrine, Matam, Tambacounda. Ces capacités vont encore être déployées dans la zone de Ziguinchor, où un laboratoire, l'Institut Pasteur, sera mis en place pour se rapprocher là aussi des malades dans le but de mieux les prendre en charge. Il est important aussi de signaler que dans la stratégie actuelle, au niveau du Sénégal, il est important d'identifier parmi les cas suspects quels sont les cas confirmés et de suivre les clusters qui sont dans certaines régions. Et cette stratégie correspond à ce que l'on doit faire dans ce genre de situation. Il ne se justifie pas aujourd'hui un dépistage massif qui présente des limites importantes compte tenu des capacités existantes et des aspects logistiques. La situation du Sénégal ne le justifie pas, c'est pourquoi, jusqu'à présent, il a été mis en place cette stratégie pour laquelle chaque personne qui est considérée comme un cas suspect va être prélevé et son échantillon transmis pour test. Chaque contact qui est considéré comme un contact à risque va être prélevé et testé. Et sinon, c'est les malades qui sont hospitalisés qui seront testés. C'est la stratégie qui correspond à notre situation qui jusqu'à présent nous a permis de maîtriser l'épidémie. Il est important enfin de signaler que depuis le début de l'épidémie, il y a eu un certain nombre de souches de virus qui ont été analysées, et qui montre que les souches qui circulent au Sénégal traduisent bien une importation de plusieurs zones avec des multiples introductions. Je voudrais finir par euh, remercier l'excellent travail d'équipe qui se fait et dire ça dans la foulée du ministre et du docteur Bousso parce que le travail qui est fait en matière d'épidémie et tous les pays qui se sont investis et qui ont eu de bons résultats ont eu cette dynamique collective, cette dynamique d'équipe qui a très bien marché. Les tests arrivent au laboratoire parce que des équipes sur le terrain font des prélèvements, donnent des informations qui arrivent. Et quand ils sont faits au laboratoire, ils sont testés dans la journée et renvoyés sur le terrain. Et ce travail d'équipe est essentiel. Et je voudrais, dans la foulée de Monsieur le ministre et dans la foulée du directeur du, service, du, Cours, euh, saluer cet excellent état d'esprit euh, pour tous les acteurs de la santé, les acteurs au niveau de, de la prise en charge et des différents piliers de la lutte ma tënk ci wolof euh, li ma wax nii ci tubaab euh, Institut Pasteur de Dakar ci wàllu test laboratoire pour saytu nagam ni ñi am na nu feebar bi fa lañ ko féetale moom lay liggéey ci dispositif national bi ministère la santé mettre en place li nu mën a wax mooy tey mooy weer depuis ñu. cas confirmé ñu ñëk détecté ki am fièvre bi mu doon le 2 mars motax ñu mëno wax rapidement nek ni ci walu le ñu identifier fièvre bi premier cas bi bi nga xam dañ ko doon suspecté mi ngi 26 février 2020 boobu ba légui nak Institut Pasteur testé na junni juroom ñaari témèr ak fanweer ak juroom ñent échantillon test yoyu mi ngi ko def si ñoo xam ni dañu gis ni dañu am feebar bi ñu war leen hospitaliser leen topp ñoo xam ne dañu yaakaar ni daf dañu am feebar bi ñu indi leen pour ñu pour ñu seet leen muy lu ñuy wax cas ak ñoo xam ni dañu nekkoon contact bu jege ñoo xam ne dañu xam dañu am feebar ñu naan ko contact à haut bu ñu xoolee liggéey boobu yëpp mi ngi permettre ñu identifier téeméer ak juróom ñeenti fukk ak juróomi cas yoo xam ni tey xam nañ ni am na nañu feebar bi ci wàllu test lii ma lim léegi ci test yi ñu def muy junneeg juróom-ñaari téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent boo ko xoolee depuis début bi dafa mel na bu ñu doon def li tubaab naan moyenne bés bu nekk testé nañu 53 muy juróom fukk ak ñett échantillon waaye loolu. dafa am ay bés yoo xam ne lu néew la ñu testé bés bi mu gën a néew tester ben échantillon bés bi mu ëpp testé nañu ñaari téeméeri échantillon ak fukk ak benn loolu dinu indi ci wax ni Institut Pasteur bés bu nekk mën na testé juróom euh, juróom téeméeri test ci bés bi donc capacité yi des na rax ci dolli ñoo ngi liggéey pour yegg mille tests muy junni test bés bu nekk loolu li muy indi mooy jumtukaay ak capacité yi dañ ci taxaw pour que lu nu soxla ci test rek ñu def ko euh, fi Sénégal toll ci liñ si xam ak expert yeeg li li xam si li xew si yeneen dëkku àddina yi ajoowul ñuy tester képp kuy sénégalais parce que loolu dëktuwul ndakaar rek ñeenti millions nit a ngi fi dëkk bu ñu bëggoon tester ñëpp du sotti. stratégie bi fi am te muy stratégie bi nga xam ni moom la ñu war a doxal moo méngoog li fi xew moo di ku yaakaar ni da nga am feebar bi nga am mandarga feebar bi ñu prélever la indi prélèvement bi Institut Pasteur ñu testé la ñaareel ba ku yaakaar ni jege nga koo xam ne dafa am feebar bi ba am na risque ñu prélever la loolu actuellement mooy stratégie bi war mooy stratégie bi experts yi dëggal fi ñu toll ci feebar bi mu am solo test yi duñ ko def rek Dakar Institut Pasteur Institut Pasteur dafa def benn laboratoire ci ndigalu ministère de la santé ak euh, à Touba li waral loolu mooy ñëpp amoon ci zone boobu ak cas yu bare ñu bëggoon jegee laboratoire yi pour que laboratoire yi mën di tester nit ñi pour tester gaaw pour ñu mën a xeex épidémie bi pour yàlla defal ñu sutura ci liñ ci xam ah Touba ba tey yàlla ngi ci suturaal li ma mën a wax itam laboratoire boobu ba mu nekkee Touba ba tey échantillon yi jóge na jurbel Louga Fatick Kaolack Kaffrine maatam Tambacounda loolu mooy laboratoire bu nekkee fenn dana nekkal ah, gox ba mu nekk waaye itam dana nekkal feneen pour gàttal yoon bi yeneen région yi ci loolu itam ngir laboratoire yi gën a jege fi ñuy fajee nit ñi gën yombal test yi ci wàllu euh, gaaw euh, ñu jot aussi ndigal ci ministre de la santé ak équipe yi pour ñun ñu pour ñu institut Pasteur ubbi benn laboratoire Ziguinchor parce que Ziguinchor sore na am na ay malade ñu fay toppatoo te comme ni ñu koy defee Touba dina am ci zone yooyu ñu soxla pour le tests ñu mun leen ko defal foofu li ma bëggoon wax itam moo di ni euh, test yi capacité yi fi mu nekk nii permettre na ñu liggéey lu tolloog stratégie bi euh, prélèvement bu nu jot itam virus bi dañ koy analyser li analyse virus bi wane ni mooy que cas yi ci ëpp bitim réew la jóge yi docteur Bousso doon wax la loolu la virus bi wane ñu gis ni que virus yi fi dugg ñeenti façon la gis mu wane ni que daal introduction yi dugg-dugg yi ci ci bitim réew la gën a bare ma doon bëgg itam wax ci sama jeexal ni que. li ministre de la santé wax léegi directeur Kous wax ko moo di lëkkaloo ànd liggéey bi dafa rafetal liggéey bi yombal ko tax ni jumtukaay yi yemb na tax ni itam li ñëpp ànd di liggéey moo tax yàlla suturaal nu fi ñu toll ba ci waxtu wi et que loolu lu am solo la mu war a nekk njukkal boo xam ne dañu ko war a delloo képp kuy liggéey si waa kër docteur war ko aussi delloo taxawaayu kilifa yi war ko aussi delloo sénégalais yi nga xam ni ñoo ngi coopérer baax si liggéey bi parce que tey bu test ak prélèvement yeggee institut Pasteur ay nit ñoo jógee si terrain bi prélever indi ko wut information yi jumtukaay yi mat ba ñu ñëpp ñu bon ànd li lëkkaloo loolu mooy njariñu Sénégal moo tax si loolu lañu kilifa yi digal te loolu lañuy dox waaw ma bëggoon yamale fi wax